le forum du studio le forum du le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du Il est 18h15 à Niamey, c'est l'heure du forum du studio Kalangou. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de votre fidélité au programme du studio Kalangou qui sont diffusés en direct par 45 radios partenaires dans toutes les 8 régions du Niger. Des programmes aussi disponibles sur notre page Facebook Studio Kalangou, notre site internet www.studiokalangou.org et sur WhatsApp. Aujourd'hui, le forum du studio Kalangou a pour thème l'ensemblement du fleuve Niger, cause, conséquence et solutions durables. Long de 4200 km, le fleuve Niger représente une importante source d'approvisionnement en eau, autant pour les hommes, la faune que la flore. Cependant, depuis plusieurs décennies, le fleuve Niger est menacé par d'innombrables fléaux dont la pollution et l'ensablement qui favorisent une importante baisse du niveau du fleuve caractérisée par un étiage sévère. Par parmi les manifestations biophysiques et socio-économiques de cette dégradation, on note que le fleuve devient de moins en moins profond et en période d'étiage, de nombreux endroits, des bancs de sable émergent en îlots. L'alimentation en eau des populations humaines et animales devient de plus en plus difficile. La navigation est rendue plus difficile, voire impossible à certains endroits, même pour les petites embarcations à partir de mars à juillet. De nombreuses espèces de poissons et de la faune euh, se sont rarifiées suite à la dégradation de leur écosystème aquatique. L'irrigation des périmètres hydro-agricoles devient difficile et on assiste à l'abandon pur et simple de certains périmètres totalement ensevelis par le sable. Avec nos invités, nous échangerons euh, sur les causes et les conséquences de l'ensablement du fleuve Niger et enfin proposer des solutions durables à ces phénomènes. Nous avons donc le plaisir de recevoir Boukari Abdoulaye, chargé de programme à la division restauration des terres et lutte contre la désertification à la direction générale des eaux et forêts. Hussein Moussa, chargé de programme à l'association Jeunes volontaires pour l'environnement et Omar Machido, secrétaire à la communication de l'ONG Agir pour un environnement et un développement durable AE2D. Omar Machido, bonsoir. Bonsoir. Au microphone, Mokhtar Hamadou. Boukari Abdoulaye. Que peut-on dire au sujet du phénomène de l'ensablement et de la pollution du fleuve Niger Vous savez, le fleuve Niger prend sa source en Guinée et il se jette au niveau de l'océan Atlantique vers le Nigeria. Jadis, donc, ce fleuve était, les berges étaient occupées par des forêts galeries. Donc, ce sont ces forêts-là qui régulaient le débit du fleuve. Ces forêts-là empêchaient, en tout cas, les phénomènes du, du l'ensablement à travers les eaux de ruissellement. Voilà, en filtrant les eaux du, ruissellement et les eaux de pluie. Mais aujourd'hui, le constat est simple. Ces forêts-là ont disparu et on fait place donc, au, phénomène donc, euh, d'ensablement. Donc, c'est la dégradation totale donc, de ces berges. C'est ce qui entraîne euh, l'ensablement du fleuve et l'ensablement aussi des moyens de production qui sont tout autour euh, du, bassin est-ce qu'on peut encore euh, reverdir euh, ces berges du fleuve Niger Bon, c'est possible parce qu'il y a un projet qui, a, qui avait essayé, le, PLCE, e, et qui était un projet donc, financé par l'ABN. C'était un projet en tout cas sous-régional et qui avait donné des résultats probants. Donc ça veut dire que si, si on s'y met, c'est possible avec les financements, avec la, volonté des, communautés riveraines qui est là. Donc euh, c'est possible. Est-ce qu'il y a d'autres causes de l'ensablement du fleuve au Niger Bon, il y a les changements climatiques, il y a, l'homme. L'homme, là où il y a un point d'eau, il y a toujours le développement des activités socio-économiques. C'est-à-dire les gens vont essayer d'exploiter la ressource en faisant des défrichements. Donc, euh, ces défrichements sont source, en tout cas si elles ne sont pas contrôlées, source vraiment de, de, de l'ensablement. Boukari Abdullahi, c'est conscient de cet état de fait que le pouvoir public ont décidé, avec l'appui des partenaires, de mettre en place un programme euh, dit de lutte contre l'ensablement du bassin du Niger, vous l'avez rappelé, euh, d'un montant global d'un peu plus de 6 milliards de francs CFA. Ce programme aura bénéficié de 70 000 personnes pendant les cinq années passées. Les actions ont-elles été à la hauteur des enjeux et des attentes des populations euh, riveraines du fleuve Niger? Oui, effectivement, surtout dans la zone d'intervention donc euh, du projet qui couvre les communes donc de, de jusqu'à Namaro. Et il y a eu des actions de restauration des terres, il y a eu des actions de fixation du dunes. Donc il y avait des dunes qui mouvaient, qui bougeaient. Ces dunes-là ont été fixées. Et il y a des activités socio-économiques qui se déroulent même sur ces dunes parce qu'on euh, fait des cultures maintenant là-dessus, donc au bénéfice des populations. il y a eu plusieurs renforcements des capacités, en tout cas en matière donc de restauration de l'environnement pour les communautés locales, ce qui n'est pas mal. Il y a eu la restauration donc des terres au niveau des, versants, ce qui a permis un peu de régénérer l'écosystème. Boukara l'action de l'homme n'est pas pour rien dans l'ensemblement du fleuve Niger. Est-ce que ces populations-là sont conscientes du danger que représente l'ensemblement du fleuve Niger Oui, effectivement, les populations sont conscientes. Maintenant, vous voyez avec euh, avec euh, une petite pluie, c'est les inondations. Ça veut dire que le, lit du fleuve est ensablé. Donc euh, les populations sont conscientes, mais elles n'ont pas de choix parce qu'il il faut cultiver quand même. Ils font de leur mieux, mais ils n'ont pas le choix. Il faut les accompagner. Donc ça veut dire que si on les accompagne, ça aura des effets positifs sur euh, ce phénomène. Tout à fait, tout à fait. Boukari Abdoulaye, avec euh, des effets de plus en plus ressentis sur l'ensemble du continent africain, le changement climatique n'a pas épargné le fleuve Niger. Que faut-il euh, s'attendre dans les mois ou années à venir si rien n'est fait Si rien n'est fait, le fleuve disparaît, c'est tout. Si rien n'est fait, l'inondation va causer, le fleuve va détruire beaucoup de, des habitations. Même les cultures irriguées qu'on fait tout autour ne seraient pas possibles parce que euh, l'eau va inonder les espaces cultivables. si rien n'est fait, donc euh, on ne le souhaite pas, le fleuve risque de disparaître. Est-ce qu'on peut faire quelque chose Est-ce qu'on peut sauver ce fleuve Tout à fait. On est même en train de faire parce que c'est la vision, en tout cas, à l'échelle même du bassin. Ce n'est pas seulement au niveau du Niger, mais il faut comprendre le Niger en tant que fleuve. Donc, c'est des actions vraiment. Depuis la source Depuis la source jusqu'à là où. Euh, à l'embouchure. Voilà, donc euh, des actions sont en train d'être menées pour, le sauver. Euh, est-ce que euh, les populations riveraines sont mises en contribution sont impliqués, Ils sont impliqués parce que c'est les, premiers concernés. Omar Makido, comment votre ONG agir pour un environnement et un développement durable aborde-t-elle les questions liées au phénomène de pollution et d'ensablement du fleuve Niger Merci, le studio Kalango, de nous avoir donné l'opportunité d'abord de nous faire connaître par le public et de toucher euh, ce problème que l'ensemble du fleuve Niger et sa pollution, c'est une question d'actualité. Et c'est une question qui mérite beaucoup d'attention, d'abord de la part des politiques et de la part de la population, et surtout les populations riveraines et les autres contraires du pays qui sont loin du fleuve parce qu'ils seront concernés par ce phénomène. Parce que quand le fleuve disparaît, les populations riveraines risquent de se déplacer et aller s'installer dans les zones euh, à production agricole favorable. Donc euh, tout le monde est concerné par euh, ce phénomène d'ensablement du fleuve Niger. C'est dans ce sens que notre ONG entend aller vers d'abord la population, les populations concernées pour deux actions. D'abord une sensibilisation sur la pollution de l'environnement en tant que tel, parce que c'est de là la question. Cet environnement, vu l'accroissement démographique de la population galopante, euh, on constate qu'à chaque année, il y a des espaces euh, qui sont euh, détruits pour l'accroissement de, de leur production agricole. Donc quand la population augmente, il y aura toujours des problèmes de l'environnement, parce qu'ils vont occuper une bonne partie les partis occupés sont les partis favorables à la protection du, fleuve Niger. Parce que quand la pluie tombe, s'il n'y a pas de, couvert végétal, donc euh, les eaux de ruissellement vont euh, entacher beaucoup de, déchets et, qui seront écoulés dans le fleuve Niger. Et c'est déjà qu'on marque dans certains endroits, sur le euh, lit du fleuve Niger, des endroits complètement des dunes de sable qui ne disparaissent pas, même en période de crue. On les, constate. Les pêcheurs qui sont constamment sur le fleuve les remarquent dans beaucoup d'endroits sur le fleuve Niger, même en période d'août et septembre où eh, il y a une euh, haute montée de, euh, de, de l'eau dans le fleuve Niger, on constate euh, ces espaces de dunes-là qui ne disparaîtront pas. Voilà en quelque sorte eh, l'action que mène euh, j'ai dit une action de sensibilisation d'abord et une action sur le terrain. Parce qu'il faut montrer à la population les causes, les, les, les causes et les conséquences et les aider à, surmonter, surmonter ces difficultés-là. Il ne faut pas seulement parler et disparaître. Il faut aller avec eux. Parce que c'est ce qu'on remarque souvent. La, sensibilisation uniquement ne, ne suffit pas. Il faut aller avec, euh, constamment avec eux euh, avec euh, des spécialistes de terrain qui sont les agents de l'agriculture, les agents de l'environnement, les agents de l'élevage. Parce que euh, je dis que avec l'accroissement de la population, il y aura aussi les couverts végétales avec la, sur, la surexploitation et le surparturage. Donc, c'est ces phénomènes-là, ça qui fait que on constate qu'il y a trop de déchets qui se déversent sur le lit du fleuve. Donc, euh, il faut amener la population à comprendre les causes et les conséquences et à les, aider à surmonter ce, phénomène. de pollution et d'ensablement de, du fleuve Niger. Omar Machido, l'érosion des sols et l'ensablement du lit, la pollution, les déchets industriels et urbains sévissent, la jacente d'eau, les lieux d'eau prolifèrent. Dans le même temps, la multiplication des barrages risque de déséquilibrer les débits du fleuve. Euh, que risque ce cours d'eau éminemment important pour le Niger si rien n'est fait dans les décennies à venir Ces retenues d'eau-là risqueront de disparaître si rien n'est fait ce qui nous amène à, à lancer notre cri d'alarme à l'endroit des, politiques euh, publiques, de vraiment euh, voir cette question-là, de prendre cette question-là comme une priorité des priorités. Euh, parce que la grande partie de la population nigérienne est une, population agricole et éleveur. Donc leur vie dépend de ces, de, retenues le fleuve et les autres, et les barrages. Donc vraiment, il faut mettre beaucoup d'accent là-dessus pour que ces populations-là atteignent euh, l'autosuffisance alimentaire. Omar Makido, pour faire face à cette situation, le gouvernement nigérien a pris des dispositions qui consistent à protéger le fleuve dans le cadre du programme de l'autorité du bassin du Niger, mis en œuvre par le programme de lutte contre l'ensablement dans le bassin du fleuve Niger. Les actions de ce programme sont-elles visibles sur le terrain Vous venez de ça. Est-ce que ces actions-là sont visibles euh, sur le terrain Oui, dans certaines, euh, à certains aspects, surtout au niveau de la jacente d'eau, on voit euh, les avions de, euh, de l'environnement. Euh, dans les villages et amènent la, les populations riveraines à faire sortir ces jacentes d'eau dans le fleuve. On constate sur le terrain aussi de, la récupération de terres dégradées. Parce que pour freiner l'érosion, il faut que ces terres dégradées-là revivent aussi. J'en ai cité au début que l'environnement en tant que tel, s'il euh, est dégradé, le fleuve là, on n'en parle pas. Parce que la, réserve de protection du fleuve, c'est l'environnement. Hussein Moussa, Plusieurs ONG et associations nigériennes ont pris part aux côtés de la ville de Niamey à des vastes opérations de nettoyage du fleuve Niger à Niamey. Votre association a-t-elle participé à toutes ces opérations Effectivement, euh, notre association a participé et jadis, euh, la personne peut se dire, bon, mais écoute, on est en train d'organiser des salubrités euh, sur le terrain, mais qu'est-ce qu'on va faire Qu'est-ce qu'on va balayer au niveau du fleuve Et bien sûr, c'est quand tu vas arriver sur place que tu vas constater ce qui se passe. Qu'est-ce que vous avez constaté concrètement Véritablement, hein? quand l'eau, au niveau des périodes d'étiage, parce que les étiages sont carrément sévères, c'est que du coup, on va avoir donc euh, des, espaces donc à des centaines Les de sévères, ça veut dire qu'on peut traverser à pied le fleuve. Bien sûr, certains endroits du pied, en fait, certains endroits du fleuve sont traversables. Bon, jusqu'à présent, il y a des endroits qui sont encore plus profonds, qui ne sont pas plus en fait, très menacé par, euh, à comparer à d'autres parties. Mais vous pouvez arriver jusqu'à certaines distances au niveau du pied du pont où vous allez voir qu'il y a les traces même des, euh, en fait de, du, niveau d'eau quand ça arrive. Et vous voyez qu'il y a une différence d'au moins euh, une dizaine de mètres qui sépare certains points donc avec le, les traces au niveau du pont. Ce qui justifie véritablement ce problème-là. Donc, les gens, surtout les riverains du fleuve, vous prenez donc euh, les, pratiquement tous cette lignée depuis euh, euh Yantalaba jusqu'à arriver vers euh, la zone, comment on appelle ça, du Saga. Donc les riverains, en fait, vous voyez l'homme, c'est avec ses habitudes, qu'il trouve un espace, c'est un lieu de dépotoir. Donc nous, on a vu sur place des déchets ménagers dans le fleuve. on a vu des déchets ménagers. Comment expliquer Qu'est-ce qui va amener, par exemple, les, déchets ménagers au niveau du fleuve si ce n'est pas les gens qui vont les transporter pour les amener là-bas Et donc, Il y a, les actions de ruissellement des eaux. Oui, mais le, le truc, c'est qu'on est en train de parler de l'ensablement du fleuve et voilà que les gens amènent des déchets au niveau du fleuve. Et donc là, ils sont en train de d'accompagner aussi ce processus-là, ils sont en train de contribuer à rembler aussi le fleuve, parce que le phénomène naturel, il est lent et c'est dans le long terme que tu vas voir l'effet, mais le phénomène lié à l'homme, c'est tout de suite, tu vas voir ça. La nature peut mettre du temps à préparer quelque chose sur là, l'homme, il va mettre juste une heure de temps pour la détruire. C'est ça, en fait, le truc. Donc là, l'urgence, est de véritablement. Oh, on a vu que, voilà, ça, c'est un effet. Donc pourquoi ne pas contribuer donc à l'endroit, ça lui. Peut-être ça peut déclencher un déclic au niveau des gens pour se dire que, ah, donc le fait de partir euh, déposer, verser mais, Est-ce qu'il ne fallait pas commencer par sensibiliser les populations d'abord avant Oui, c'est... Euh, vous savez, aujourd'hui, il euh, y, a, y, a, deux types de sensibilisation. Il y a des sensibilisations orales aussi, il y a des sensibilisations par la pratique. Tu viens déjà, ça montre que là, c'est donc euh, quelqu'un qui, qui est venu balayer l'endroit, qui a rendu l'endroit propre, c'est quelque part, il est en train de te dire qu'il ne salit pas l'endroit. C'est véritablement ça. Donc, et là, si c'est des actions, je pense que euh, du point de vue, ça ne va pas être une action ponctuelle. Il faut que ça soit une action répétitive, de telle sorte que ça soit euh, ancré dans l'habitude des gens. Et du coup, parce que euh, seule sensibilisation ne peut pas contribuer à amener un changement, mais de manière progressive, ça peut devenir un comportement et ça s'acquiert à long terme. Hussein Moussa, l'une des grandes menaces du fleuve Niger est la pollution de ses eaux par les activités humaines, industrie, teinture, agriculture. Ce combat a été l'une des priorités défendues par l'Afrique à la conférence internationale sur le climat à Paris, COP21. Qu'est-ce qui bloque concrètement Bon, vous savez, aujourd'hui, euh, quand vous parlez des questions de pollution, euh, ce sont des questions qui, euh, du point de vue même euh, si on prend la, grande globalité du changement climatique, ce sont des questions qui, sont, qui ont des incidences économiques. Aujourd'hui, au niveau du fleuve, les, problèmes liés donc aux pollutions, c'est véritablement, spécialement, c'est les industries qui sont tout autour. Ces industries-là, ils ne traitent pas donc les différents eaux polluées, donc ils considère donc le, le fleuve comme un dépotoir de ces déchets-là. Alors que c'est véritablement, on dit que le, il faut vivre libre comme le poisson dans l'eau. Et là, tu es en train d'entraver donc la vie de ce, de ce poisson-là et d'autres formes de vie aussi qui sont aquatiques. Et donc, du coup, je pense que ici, s'il faut, euh, s'il faut véritablement euh, amener, amener un changement, d'abord il faudrait qu'il y ait euh, véritablement une conscience, une prise en compte de cela et aussi au niveau des, gouvernements décentralisés dans tous les différents pays. D'accord Il faut qu'on oblige. Il faut qu'on oblige ces sociétés-là à prendre leurs responsabilités. Vous, vous voulez dire que la mairie peut faire quelque chose à ce niveau la mairie, à certains, oui, la mairie à certains niveaux, elle est bloquée. Quand on dit décision, là, il faut que ça vienne de, la tête, d'accord Donc, du il faudrait qu'on il faudrait qu'on y oblige, d'accord Il faut qu'on montre que véritablement, c'est, c'est, euh, on oblige les gens parce que les textes, il y en a les textes, il faut faire les stations d'épuration, il y en a les textes, mais on ne les applique pas. On dit ici, par exemple, il y a une, industrie de la place, je ne vais pas dire, dire, le nom pour la publicité, mais on dit qu'elle a une station d'épuration. En fait, c'est un bassin de décantation. C'est juste, euh, elle va accumuler ses déchets là-bas avec l'évaporation, mais <laughs> c'est toujours les déchets, il est là. D'accord Donc, il faut faire une station d'épuration, ça a des incidences financières et les gens ne veulent pas prendre cette responsabilité parce qu'ils ne sont pas obligés. Quelque part, peut-être il y a des gens qui sont en train d'être satisfaits par cela. C'est pourquoi on n'est pas en train d'appliquer ce qu'il faut appliquer. Sinon, normalement, les textes sont là de, tout ce qui est du respect. Aujourd'hui, quand tu veux faire, quand tu veux monter une entreprise, on va faire une étude d'impact environnemental et tout ce que tu dois et tout ce que ton entreprise doit va causer en termes de préjudice sur l'environnement, il faut que tu payes. D'accord euh, C'est le, le, concept de pollueur-payeur. Normalement, non. c'est l'une des recommandations de la COP21, vous voulez dire euh, Non, pollueur-payeur, c'est depuis Copenhague. Mais donc, c'est au niveau de là-bas où on a, c'est depuis le, le, protocole de Kyoto même en fait qui est sous toutes ces informations en fait vient que quand tu euh, euh, ton activité quand elle impacte, impacte négativement l'environnement, il faut que tu résous cela. Ou bien, par exemple, vous qui êtes en train de vivre d'une activité, je vais dire, d'industrialisation, de l'autre côté aussi, à des gens qui, euh, qui vous êtes en train de nuire. Donc il faut que ça soit compensé, gagnant-gagnant. Moi, j'ai vu de mes activités et je contribue à réduire les impacts donc, négatifs que mes activités causent sur les autres. Et donc, c'est ça qui est véritablement les gens, et c'est ce qui bloque même toutes les questions de négociation au niveau de la, de, de de la conférence, donc, euh, cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Hussein Moussa, votre ONG a eu à participer à la COP21, euh, à toutes les conférences internationales sur le climat. En termes de recommandations ou euh, d'action sur le terrain, qu'est-ce que vous avez eu à faire En fait, euh, vous savez, en termes de recommandations, il y a toutes ces questions-là. les gens sont, euh, ils sont nourris il y a toutes ces recommandations. Il faut essayer d'impliquer les communautés locales. Il faut essayer de, de faire ce qu'on appelle euh, le concept de grassroots, c'est-à-dire travailler de la base vers, le, haut. Tout ça, là, il y a tous ces... Mais le problème, là où ça, ça se bloque, c'est du genre comme toi, tu es chef de famille. Donc, ce sont tes décisions qui vont varier les décisions. Quel qu'en soit ce que les autres vont dire, si toi, tu restes euh, euh, intransigeance, donc on peut rien faire. Ah, Et ah, est-ce que vous avez le sentiment que l'État ne fait pas grand-chose autour euh, de l'enjeu environnemental L'État, il est en train de faire ce qu'il peut, mais beaucoup reste à faire. Beaucoup reste à faire. Pourquoi Parce que aujourd'hui, quand on regarde, si vous prenez euh, rien que, on est en train de parler de la question du fleuve, il y a beaucoup de projets qui sont en train d'être faits. Est-ce qu'il y a le suivi sur le terrain y a, suivi des actions. Je ne sais pas si je suis à mesure de pouvoir véritablement dire s'il y a suivi des actions. vous, mais le vous constat, qui êtes euh, la société civile autour euh, de ces enjeux, de ces phénomènes. Oui, chacun a ses niveaux d'intervention, chacun a ses niveaux de, suivi, mais ce qui est clair qu'on ne peut pas t'empêcher de faire, de faire le constat donc euh, sur place. Et véritablement, vous savez aussi, il y a quelque chose qu'il faut, qu'il faut se dire tout le problème que le fleuve est en train de vivre, ce n'est pas un problème qui est apparu d'un seul coup. C'est quelque chose qui est, depuis euh, des dizaines d'années, des activités qui sont en train de se faire de manière progressive. Et du coup, donc, c'est progressivement, on est en train de voir les effets. Et aujourd'hui, les effets sont en train d'arriver à leur, à leur euh, optimum. Et donc, du coup, quel qu'en soit ce qu'on doit faire, il n'y a pas une solution baguette magique. Où d'un seul coup, vous allez appliquer et d'un seul coup, vous allez avoir résoudre tous les problèmes. C'est tout un processus. C'est tout un processus. Et l'idéal, c'est que l'ensemble des différentes interventions qui se font autour du fleuve, que ça continue à se faire ainsi et aussi d'adopter par exemple les systèmes. Ils ont euh, tous parlé par exemple du, problème de la, de la coupe euh, du bois qui est véritablement euh, l'un des faits qui fait en sorte que le sol soit véritablement fragilisé. Donc pourquoi maintenant ne pas adopter donc des stratégies efficaces j'ai dit stratégie efficace de plantation d'arbres parce qu'il y a plantation d'implantation. D'accord Nous, les, techniques de plantation que nous avons véritablement adoptées au niveau des jeunes volontaires pour l'environnement, ce sont, on met plus d'investissement au niveau du, suivi des plantations qui sur euh, l'achat des plants. Parce que l'idéal n'est pas de planter un nombre élevé, mais c'est le peu que tu as pu planter que ça puisse se régénérer. Il ne s'agit rien de venir remplir des indicateurs, dire qu'on a planté tel nombre de milliers d'arbres, tel nombre de milliers de plants et que quand on revient l'année prochaine, il n'y a rien. Mais quand tu dis que tu as, voilà l'effet, et c'est ça, progressivement, on peut parvenir donc à pouvoir reverdir carrément le lit du fleuve et progressivement aussi, on peut inculquer donc à ces gens, à, cette population de pouvoir véritablement euh, s'intégrer d'ailleurs dans, dans ces différentes actions-là. Ablaï Boukari, quel avenir pour le fleuve Niger L'avenir du fleuve Niger, je pense que eh, avec le, barrage de Kandaji, si le barrage aboutit, eh, l'avenir sera eh, eh, bon parce que ça permettrait en tout cas de, de, faire revivre le fleuve. Il y aura des, actions de, de, restauration des écosystèmes un peu partout, d'ailleurs ça se fait. Et il y aura également le désensablement le fleuve sera désensablé et aussi la pollution. Donc euh, on va trouver une solution parce que eh, plus le débit est élevé, plus la pollution est évacuée. Voilà, donc euh, je pense que l'avenir est en tout cas prometteur. Boukari Abdullahi, quelles sont les attentes des populations des pays membres euh, de l'autorité du bassin du Niger en ce qui concerne la menace et la pollution du fleuve Niger Quelles sont concrètement les attentes Oui, en tout cas, tous les pays, en tout cas, ont des plans de, gestion, en tout cas, de, cette ressource qui est le fleuve Niger. Chacun a sa stratégie. Et quand vous prenez de, sa source, en tout cas jusqu'au Mali, il y a des, partout c'est des barrages, ça veut dire que les gens utilisent l'eau, donc ils prennent des dispositions en tout cas pour la pérennisation de, la ressource qui, leur permet donc de, produire. Et au, Niger aussi, c'est le cas, partout c'est le cas. Et la protection donc de ce fleuve est vue vraiment à, l'échelle du bassin. ce n'est pas seulement au niveau d'une seule localité qu'il faut mener des actions pour faire la pérennisation, mais c'est au niveau de tous les pays où le fleuve traverse. Donc il faut qu'il y ait une vision commune et partagé pour la gestion de la ressource. Boukari Abdoulaye, quelles sont les conséquences de toutes ces menaces sur le fleuve Niger Les conséquences euh, comme... Euh, euh, de, et de la pollution Oui. On, constate que le poisson se raréfie, le poisson coûte cher. Tout à <laughs> fait, tout à fait. Donc, les conséquences, en tout cas, sont énormes parce que le poisson, il aime en tout cas des eaux un peu profondes. Et si c'est si, désensablé, il est exposé, donc euh, la reproduction est faible. Et aussi, les populations qui sont autour du fleuve sont, victimes des, inondations parce que le lit n'est pas profond. Donc, au période de, crues, ça déborde facilement. que ce soit les habitations, que ce soit les moyens de production c'est-à-dire leurs parcelles de production, leurs cultures irriguées, tout est inondé. Donc c'est vraiment des conséquences graves de, l'ensablement. Boukari Abdoulaye, à quand peut-on espérer la fin de toutes ces menaces Peut-être à la fin du, de la construction de notre barrage. Peut-être, peut-être, je dis, si on arrive à construire ce barrage, peut-être que, en tout cas, ça sera beaucoup atténué. Hussein Moussa, le fleuve Niger est source de vie pour une grande partie de la région du Sahel. Eu égard au nombre de du moment, les pays membres de l'autorité du bassin du Niger en particulier et le Sahel en général ont-ils aujourd'hui les moyens et la technologie nécessaires pour lutter contre la pollution et l'ensablement du fleuve Niger Je pense que euh, véritablement technique. Euh, euh, vous avez euh, l'autorité du bassin du Niger, donc c'est neuf pays, je pense bien. Et ce sont des experts de ces différents pays-là qui sont euh, qui, se, qui se retrouvent au niveau donc de cette institution-là. c'est des experts, ce sont des experts. Oui, ce sont des experts. Mais est-ce que la technologie existe au niveau du Sahel Mais comment, la question à poser, ce n'est pas est-ce que la technologie existe est-ce que les moyens sont alloués pour véritablement acquérir ces technologies-là C'est ça la question qu'il faut se poser. Et donc là, euh, je pense bien que euh, même au niveau de ces autorités du bassin du Niger, euh, ils sont en train de faire véritablement donc des, des, études parce que d'un point de vue donc autorité, d'abord ils font des études pour voir c'est quoi le problème et penser donc à comment faire pour faire face à ces problèmes-là. Et maintenant, la suite qui va arriver, c'est la mise en pratique donc de la solution qui a été proposée par l'étude. Et c'est ça des fois où euh, euh, ça c'est la décision, en fait c'est le politique qui, qui, qui, qui, va influencer ou bien qui va faire euh, changer la tendance. Et quand vous regardez de manière générale au niveau de nos institutions, que ce soit locales ou bien transnationales, en fait on se base trop sur euh, des investissements extérieurs. Et les investissements extérieurs ne vont jamais nous faire développer. Il faut la volonté propre. Euh, il faut que le pays lui-même investisse ses propres euh, ressources. Et quand il sait que ce sont ses ressources qui sont investies, il va mettre plus un œil regardant dans cela. Et je pense bien que le suivi dans ce sens-ci, véritablement, chaque pays a véritablement investi ce qu'il faut sans pour autant attendre que l'aide extérieure puisse venir. Parce que quand vous regardez, vous prenez les, cette autorité-là, vous allez voir que la majorité de ces différents projets qui sont en train d'être mis en œuvre, ce sont des investissements extérieurs. Et ça, ça ne va pas marcher. Lui, celui qui va venir vous donner son... Il a un objectif bien précis. Et c'est en fonction de cet objectif-là qu'il veut donc financer. Et ce n'est ça, euh, comment on appelle ça, quelquefois, ce n'est pas véritablement l'atteinte de ses objectifs qui va résoudre votre problème. Mais si vous, vous, y investissez, véritablement, vous pouvez arriver à cela. Et je pense bien qu'il y a beaucoup de solutions locales, hein, parce que des fois, il faut même pas qu'on regarde euh, trop, il faut pas qu'on pense que, bon, il faut pour certains avancées, il faut des grandes technologies. Non, il y a des, aujourd'hui, il y a des transformations locales. Par exemple, vous prenez parmi ces différents problèmes-là, vous prenez le problème de la jacinthe d'eau, mais ici même localement, il y a beaucoup de gens qui ont développé des procédés pour lutter contre cette jacinthe d'eau-là. Comment ça par exemple, il y a des gens, aujourd'hui, il y a des... À travers la transformation, vous voulez dire on peut fabriquer, fabriquer aujourd'hui du, compost avec la d'eau, on peut faire du biogaz avec la d'eau. Il y a même au Bénin, il y a un start-up qui a fait, euh, qui a utilisé la d'eau pour faire euh, l'épuration de l'eau, surtout au niveau de là où il y a les fuites du pétrole. Oui, la d'eau. Donc, il y a, y a euh, euh, comment on appelle ça On peut faire de l'artisanat. Il y a des gens qui fabriquent des meubles, par exemple en Birmanie, en, euh, comment on appelle ça En Thaïlande, au Vietnam, les gens utilisent la d'eau pour fabriquer des meubles. Pourquoi on ne peut pas faire cela transformer un problème en, une véritable... Ousen Moussa, est-ce que le sable peut être récupéré et réutilisé Le sable... Le sable du fleuve Niger, il est c'est comme étant être le meilleur sable pour une bonne construction. Oui, les actions de focardage dans d'autres pays, ça s'effectue, qui consiste à véritablement utiliser. Regardez par exemple, au lieu les, nombres de bennes qui sortent hors de Niamey pour partir chercher du sable. Dans les carrières. Pourquoi oui Creuser et créer des problèmes quand par exemple la ville s'agrandisse. Quand vous prenez par exemple une partie de, de Sounici, là, on était obligé de mettre des de déchets pour rembler et, lotir l'endroit. Et ça risquerait d'arriver aussi dans ces les autres carrières. Alors pourquoi ne pas venir directement utiliser ce sable-là pour les constructions et peut-être même que là, la, la, la mairie peut mettre, peut, mettre un truc de tribut là-dedans. On peut dire par exemple une benne pour 500 francs ou 1000 francs, quelque chose comme ça. Et là, ça va réduire le coût de la distance que le, la personne va sortir dehors de Niamey pour prendre le sable et revenir. Et ici encore, il va avoir encore du sable en qualité parce que c'est pas un sable, c'est un sable qui est carrément lessivé. Donc tout ce qui est déchet, il n'y en a pas. Et c'est du bon sable encore qui est testé pour les bonnes constructions. Ça, ce sont est-ce que, est que, vous avez proposé cette solution-là aux différentes municipalités euh, de la ville de Niamey Quelquefois, même, il y a des. Euh, j'avais l'habitude d'apercevoir ces bains-là qui prenaient du sable. Mais à un moment, je vois que ça, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. C'est qui, du coup, je, dis, je me dis que si j'ai aperçu cela, c'est qui veut dire que aussi les autres ont vu. Et donc, je pense que c'est assez concret ces résultats-là. Des fois, on n'a pas besoin véritablement d'un truc extérieur pour que ça marche ici. On utilise les connaissances locales et on résout, nos problèmes locaux. C'est fini. Omar Machido, les risques climatiques sont amplifiés par la vulnérabilité déjà élevée de la population du bassin du fleuve Niger, marquée par une forte pauvreté et des indicateurs sociaux et économiques alarmants. Euh, quelle alternative pour toutes euh, ces populations éprouvées donc, euh, comme alternative, nous allons toujours revenir sur la protection de l'environnement parce que j'avais dit que la population du Niger, à, sa grande majorité, vit de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche et autres. Donc, il faut nécessairement, pour lutter contre la pauvreté, il faut agir sur euh, ces, techniques-là l'agriculture, l'élevage, la pêche et autres. Là. Oui, oui, mais Omar Machido, à cause de la montée euh, des, eaux du fleuve Niger due à l'ensablement et la pollution, beaucoup de populations euh, riveraines ne peuvent plus cultiver, ne peuvent plus faire le maraîchage. Que faire Qu'est-ce qu'il faut faire à ces populations-là Il faut les amener d'abord je reviens, j'insiste là-dessus, hein, parce qu'il n'y a pas une autre alternative, parce qu'on ne peut pas donner de l'argent ou on ne peut pas amener de, on ne peut pas leur donner une alimentation de façon directe. Il faut qu'ils la produisent eux-mêmes. Donc, pour lutter contre la pauvreté, parce que le Niger est pauvre parce qu'on n'a pas atteint l'autosuffisance alimentaire. C'est clair. Et pour atteindre l'autosuffisance alimentaire et lutter contre cette pauvreté-là, il faut agir sur l'environnement. Et en ce sens que l'État doit euh, amener les collectivités territoriales à, exploiter le sable, comme l'a dit Hussein tout à l'heure. Les, les, les, communes, surtout les communes riveraines, peuvent en profiter. Au lieu d'aller creuser, euh, créer d'autres fossés qui dégradent euh, l'environnement, il faut utiliser ce sable-là pour faire leur construction. Aujourd'hui, surtout dans les, grands centres, les centres urbains, là, euh, la plupart des constructions, c'est matériaux définitifs qui utilisent le sable en grande quantité. aller creuser d'abord un endroit qui est déjà atteint de l'érosion ou bien de, la désertification, manque d'arbres, qui, qui, facilite d'abord euh, aux eaux de ruissellement euh, d'emporter le sable dans le fleuve qui a des, des conséquences néfastes d'abord pour, pour les animaux, pour les hommes, et, les animaux aquatiques et les autres. Donc il faut vraiment insister sur euh, ces communes-là, d'exploiter comment ce sable du lit là, ça va. Euh, si chaque, euh, chaque semaine, la, la, la, commune arrive à assainir un kilomètre du fleuve, à dégager les dunes là, dans le lit du fleuve là, je pense qu'en une année, en deux ans, on peut avoir beaucoup de kilomètres à comme l'a dit euh, tout à l'heure. Omar Makido, à présent, quels sont vos conseils, recommandations ou propositions de solutions pour une meilleure sauvegarde du fleuve Niger euh, Il faut d'abord une, une sensibilisation de la population. Il faut les amener à comprendre que ce danger-là, c'est euh, contre eux. Il faut les sensibiliser et il faut. Euh, il faut aussi les accompagner. Il faut aussi les accompagner. Il faut les accompagner. Il faut les sensibiliser et les accompagner. Parce que souvent, euh, vous savez, au Niger, euh, l'analphabétisme est de un niveau très élevé. Ce n'est pas facile d'un seul coup, d'une seule séance de sensibilisation, penser qu'il va adhérer à ce que vous êtes venu. Il faut aller à plusieurs reprises on, ne manque pas quelques-uns qui vont adhérer et il faut encore aller avec eux. Il ne faut pas parler, comme je l'ai dit, parler et, retourner. Il faut aller en pratique. On voit aujourd'hui dans, les zones rurales, qui sommes dans les zones rurales, on voit aussi des agents de l'agriculture qui disent à l'agriculture, voilà ce qu'il faut mettre vu la rareté des pluies, voilà l'espèce de semences qu'il faut mettre, mais lui-même, il n'a pas de champ voyez une contradiction. Un agent de, de, qui n'a pas, qui, qui, qui, n'a aucune vache chez, lui, comment est-ce qu'il va amener à cette population à le croire Donc c'est pas facile. Donc il faut vraiment les, accompagner dans ces, dans ces actions-là pour les amener à adhérer à la cause. Parce que vraiment, si on ne prend pas garde, ce fleuve-là, je l'ai dit, ça risquerait dans 10 ans même hein, ça risquerait de, disparaître dans beaucoup d'endroits. Parce qu'on voit sur le fleuve, là, moi, c'est la première, c'est l'année passée que j'ai vu le fleuve Niger là est traversé par une voiture. C'est la première fois que je l'ai vu. Et, moi, moi je l'ai traversé sur une moto. Jamais vu. Il faut voir, euh, il faut voir euh, le, degré de la destruction, euh, de, la dégradation du fleuve. Vraiment que les politiques tournent autour de ce, de, de du fleuve Niger et aider la population à, récupérer ce fleuve-là, parce que l'attente la, de la population, c'est de voir que ce fleuve-là coule toujours et de façon permanente. Boukari Abdoulaye, vos conseils, recommandations ou propositions de solutions pour une meilleure sauvegarde du fleuve Niger Ok, bon, donc comme l'a dit le collègue Ousseini, il faut vraiment eh, valoriser les pratiques locales les bonnes pratiques locales. Il faut donc les valoriser. Il faut également que, qu'il y ait une vision commune pour agir ensemble. Il ne faut pas agir en, en isolé. Il faut aller ensemble. Voilà ce que j'ai à dire par rapport à ça. La jeunesse euh, nigérienne, les ONG et associations conscientes que le fleuve Niger est un bien vital et un patrimoine culturel pour l'humanité se mobilisent à travers des actions d'assainissement des berges du fleuve euh, Niger pour contribuer à stopper sa pollution et proposent des solutions durables au gouvernement. Nous sommes au terme de ce forum du Studio Kalangou. Nous avons eu le plaisir de recevoir Boukari Abdullah, chargé de programme à la division restauration des terres et lutte contre la désertification à la direction générale des eaux et forêts. Ousseini Moussa, chargé de programme de l'association Jeunes Volontaires pour l'Environnement. Et Omar Makido, secrétaire à la communication de l'ONG Agir pour un environnement et un développement durable AE2D. Merci à nous nos invités et à vous tous pour votre fidélité au programme euh, Digidio Kalangu qui vous parvient grâce à nos 45 euh, radios partenaires. Merci aussi à la technique côté son assuré par Seni Isaka et côté vidéo Mustapha Ayuba. Merci, au revoir.